parce que dama gis né dafa am compétence ba paré dafa am forme d'humilité xamaluñu ko dara lu ñaaw waaw lolo taxone ma choisir c'est un grand plaisir d'autant plus que c'est une battante Aïssatou depuis mon euh, projet bi par exemple cette année gis le projet de voyager à travers le monde dem na Mauritanie dem na Liban dem na partout nous ne pourquoi pas au Sénégal. Donc, Bimou Initiative B, elle nous a contactés. Donc, nous également, on a trouvé que cette idée était géniale. Alors, il fallait le faire et là, c'est le premier numéro. Vous avez vu, parmi neuf artistes, on a choisi par exemple cinq qui vont euh, vendredi euh, se parader encore devant un public et un parterre de connaisseurs de musique qui vont choisir l'un ou l'une qui va représenter le Sénégal en France. Alors, Aïssatou, en tout cas, on te dit merci pour le fait de vouloir donner de l'opportunité, de la chance à cette jeune génération euh, pour qu'ils puissent également, à travers nos frontières, euh, en dehors de nos frontières, étaler leurs talents, prouver au monde entier qu'au Sénégal, il y a de la culture, il y a de l'orchestration musicale, il y, a, il y a de la beauté de la voix, il y a de l'harmonie dans les voix. Et actuellement, c'est ce qu'elle est en train de faire, Aïssatou. Donc nous, ce qu'on dit et ce qu'on veut faire savoir à la jeunesse sénégalaise, que jigéen bii ngeen gis mu nekk c'est une battante nañ ko jàppale bu baax a baax su ko defee projet bi dana ko mën ko yeggale fu mu jëm kii ah, donc elle a toujours été ci suñu wet di depuis le euh, Tringa bi mu en ville ba bu muy euh, vers Gibraltar ba moom bi continuer le flambeau merci. Content rek la avec def vraiment parce que c'était pas évident vraiment qu'on puisse participer à ce genre de concours là parce que on s'était dit que voilà duñu duñu mësati sax def concours suñu live quoi vraiment mais là là là là à notre grande surprise vraiment le le jury a été ébahi et ça nous fait chaud au cœur wax dëgg yàlla content, nañ le fait que nous jël déjà premier prix et que Modest vendredi dernière audition bi genre euh, on fera notre maximum Inch'Allah, pour vraiment nous mener jël ndam li après nous représenter Sénégal Inch'Allah, au round the world mais ça nous a vraiment fait plaisir de participer à ce concours pour représenter Sénégal vraiment pour tamit dundu suñu art dundu suñu musique ba nga xamante ni niñ koy yégué Inch'Allah, dinañ ko transmettre ñëpp ñi nga xamante ni dinañ ko sétane dinañ ko déglu incha ça nous a vraiment fait plaisir de de participer à cette émission là machallah Bless. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour présider cette cérémonie qui est importante pour la jeunesse sénégalaise, africaine en général. Euh, je remercie le monsieur là que je viens de connaître. Euh, je suis très heureux d'être là. Ben, je suis euh, Christian Lebon, je suis l'organisateur sur le plan international du Tremplin des Talents. Aujourd'hui, grâce à Isaitou, on était au Sénégal. On a passé la première étape des présélections, c'était plutôt pas mal. il y avait beaucoup d'artistes de grand talent, des auteurs, des compositeurs, des interprètes. La finale, c'est dans deux jours. Grâce à cette dame, dame de culture et dame de cœur, qui a tellement donné pour organiser tout ça, je pense que c'est le début, d'une belle aventure. Hein. je pense qu'il y en aura d'autres. Et parce qu'au Sénégal, on chante, on chante bien. Il y a du talent, il y a de la motivation. Alors, grâce à ce tremplin, on passe les frontières pour dire que le talent n'a pas de frontières, à vrai dire. et on va se retrouver en finale internationale en compétition avec d'autres pays francophones. On est très heureux, très honorés et doublement euh, avec ce cadeau que le président m'a fait ce soir. Et je vous promets que je le mettrai, donc ce collier, le jour venu de la finale internationale lorsque le Sénégal sera en compétition. Voilà. Merci beaucoup. À très vite et rendez-vous à vendredi. prochain. Ah bah